Thank you. Fidèles auditrices et auditeurs, bonjour à vous et bienvenue dans notre dernier numéro de la semaine de notre émission quotidienne, l'émission Les Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Ali Munkela alias Seno et avec moi Mariam Adé pour la présentation. Bonjour Mariam, comment vas-tu Je vais bien Seno, alors nous avons quoi en ce matin Et oui, comme d'habitude Mariam, nous allons euh, tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec euh, un flash d'informations pour commencer. S'ensuivra ensuite la revue de la presse. Dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons entrepreneuriat comme chaque vendredi pour l'écho des régions, nous irons à Dosso. Et ce n'est pas fini, nous dans cette émission, il y aura une chronique loti pour éveiller les consciences des jeunes hommes et femmes de la culture linguistique qui sera présentée en langue tamashek par Alamine Ouachar et une page sport. Et oui, comme invité ce matin, nous recevons Soveti Krioche Eric, artiste dessinateur graphite. Avec lui, nous parlerons du métier de graffiti et de sa place dans la société nigérienne. Fidèle auditeur, les belles musiques nigériennes sont aussi au rendez-vous dans cette émission Le Niger sur Kalangu. Restez branchés sur les ondes de nos médias partenaires. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Tout de suite, à le flash d'information avec Rafika Tahera. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam. Nous débutons ce flash d'information avec le Niger qui accueillera demain samedi 6 juillet 2024 le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Selon le Fonds patriotique pour la souveraineté, dans un communiqué, ces visites marquent des moments importants pour renforcer la fraternité entre les trois nations et incarnent aussi la lutte commune pour la souveraineté et le renforcement des liens fraternels entre leur peuple. Dans un autre communiqué en date d'hier 4 juillet 2024, le ministre des Transports et de l'Équipement informe les usagers de la route Niamey-Dosso qu'une interruption du trafic pourrait se manifester au PK 92 aux environs de la localité de Tombobalei selon le niveau des eaux de pluie enregistrées. Le ministre invite à une conduite prudente et à respecter les consignes de sécurité, notamment l'utilisation de la voie de contournement de Kodo Harkanasu Margot en cas de submersion de la, de la chaussée à Tambobale. Le ministre rassure par ailleurs le public que des dispositions sont prises pour assurer la continuité du trafic sur ces axe. Parlons sport à présent. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy Maroc 2025 a eu lieu hier jeudi 4 juillet 2024 à Johannesburg en Afrique du Sud. Le Niger a été placé dans le groupe F avec le Ghana, l'Angola et le Soudan. À l'issue de ce tirage, les 44 nations directement inscrites, directement inscrites sur la liste auxquelles s'ajoutent les quatre vainqueurs du tour préliminaire, à savoir le Tchad, les Swatini, le Libéria et le Soudan du Sud font un total de 48 pays repartis en 12 groupes de 4 équipes. C'est ainsi que le Niger se trouve dans le groupe F pour une course à la qualification pour la Cannes 2025 au Maroc. Et voilà pour le flash de ce matin. Merci infiniment Rafika pour euh, toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, l'invité de notre émission d'aujourd'hui est soviétique Crioche Eric qui va nous rejoindre dans un instant à l'autre. Avant de le recevoir, nous allons souffler en musique une façon de vous permettre de vous installer confortablement dans cette émission. Et c'est parti comme ça avec le titre Irsiba du groupe Diotine. de al qu'elle Et oui, Irsiba, une chanson marquante du groupe euh, de rap nigérien. Il s'agit bien du groupe Diotine. Diotine qui dénonce avec force euh, le mariage précoce des jeunes filles. Irsiba signifie euh, on ne veut pas, c'est en langue zarma. Le titre reflète euh, la résistance croissante contre cette pratique traditionnelle qui prive euh, des adolescentes de leur enfance et de leur droit à l'éducation. Diotine utilise la puissance du rap pour sensibiliser et mobiliser la société, la société nigérienne sur cette question urgente. La chanson incarne un appel à l'action pour protéger les droits des filles et promouvoir des alternatives à des pratiques archaïques. 因为，因为，我的他，因为，因为，我的他。 Merci chers auditeurs, euh, tout en espérant que cette belle sonorité musicale du groupe Diotine vous a permis de vous installer confortablement dans cette émission qui est bien évidemment le dernier rendez-vous de la semaine. Alors à présent, passons à la revue de la presse qui sera présentée par <coughs> Mokhtar Hamadou. Mokhtar, bonjour. Oui, bonjour Seno. Bonjour euh, Mariam. Bonjour Mokhtar. Alors Mokhtar, euh, dénouement de la crise entre le Bénin et le Niger. Les anciens présidents Sogolo et Boni euh, se mettent à contribution, titre à la une de l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire. Et oui, sinon, selon le journal, depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, ayant renversé le président Mohamed Bazoum, les relations entre le Bénin et le Niger se sont fortement détériorées avec l'alignement de la République du Bénin sur la position de la CDAO qui, qui envisageait une intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel et la batterie de sanctions financières et économiques prise à l'endroit du Niger. Face à cette situation marquée par la fermeture hermétique des frontières terrestres de la, des parts et d'autres des deux pays qui a atteint son summum avec le blocage par le Bénin de l'embarquement du pétrole brut nigérien au terminal de Semepoji et l'arrestation de cinq agents nigériens de la société chinoise WAPCO en mission au Bénin suite au refus du Niger de rouvrir euh, sa frontière terrestre. Euh, de nombreuses voix se sont élevées pour appeler à l'apaisement, à la retenue et au dialogue. Les anciens présidents de la République du Bénin, Force Golo et Thomas Yaïboni, ont pris l'initiative de conduire une médiation pour discuter avec les autorités nigériennes de transition sur la crise qui oppose le Bénin au Niger depuis les événements du 26 juillet 2023. Dans ce cadre, ils ont atterri à Niamey le lundi 24 juin 2024. Mokhtar, face à l'inflation, le consommateur civil observe impuissant, souligne l'hebdomadaire Niger Inter. Et oui, Mariam, l'impuissance avérée du consommateur lambda face à la hausse généralisée des prix des produits de consommation n'est plus à démontrer, note l'hebdomadaire Niger Inter pris en sandwich entre les promesses du ministre du Commerce de revoir les prix à la baisse et les désidératas des opérateurs économiques, le consommateur observe et suit au jour le jour l'envolée drastique des prix des produits sur les marchés. Ainsi, les taux se resserrent davantage autour du sort du consommateur qui observe impuissant son pouvoir d'achat sans cesse réduit. En réalité, dans ce jeu spéculatif, ce sont les opérateurs économiques qui tirent leur épingle du jeu. Ils dictent leurs lois, les petits commerçants les appliquent et les consommateurs en pâtissent. Même la décision du ministre du Commerce de vouloir plafonner ne serait-ce que le prix du sac de 25 kg du riz n'a pas suffi pour atténuer l'envolée des prix. En effet, faut-il le rappeler, par arrêté pris le 21 février 2024, le ministre nigérien du Commerce et de l'Industrie, Seydou Assouman, a fixé le prix du sac de 25 kg du riz importé 5% et 25% brisure à 13 500 francs CFA et le prix plafond à 14 315 francs CFA. Et Mokhtar, ville de Niamey, une importante saisie euh, lors de l'opération coup de poing Chicha par la police. Titre de son côté, le journal en ligne Actu Niger. Le journal nous informe que dans la nuit du 28 au 29 juin 2024, la division de la protection des mineurs et des femmes de la direction de la sécurité publique a mené une opération coup de poing chicha dans la ville de Niamey. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la vente et la consommation des produits chicha dans la ville de Niamey et une importante quantité de produits ainsi que des appareils et divers accessoires ont été saisis. C'est la chef, la commissaire principale de la police, Zouera Hassan Housseize, qui a donné le coup d'envoi de l'opération après un briefing de cadrage et de rappel aux agents. L'objectif de l'opération étant de lutter contre la délinquance juvénile et la dépravation des mœurs à travers le ramassage des appareils et des produits chicha dans les places publiques, les boîtes de nuit et les autres lieux de, distraction des cinq communes de la ville de Niamey. La chef de la division a indiqué aux agents qu'ils doivent nécessairement faire preuve de professionnalisme et agir dans le respect des droits humains durant l'opération. Mouktar du, sport à présent, tirage au sort à Cannes Maroc 2025. Le Niger hérite de la poule F et jouera contre les Ghana. Titre pour sa part le journal L'Événement. Le journal nous apprend que le Niger connaît ses adversaires pour les éliminatoires de la Cannes Maroc 2025. Le MENA loge dans la poule F en compagnie du Ghana et de l'Angola et du Soudan au terme du tirage au sort effectué par la Confédération africaine de football CAF ce jeudi 4 euh, juillet 2024 à Johannesburg en Afrique du Sud. Les 48 pays en lice ont été répartis en 12 poules de 4. Avec euh, sa belle campagne en éliminatoire du Mondial 2026, le Niger, deuxième du groupe E derrière le Maroc, l'équipe nigérienne va débuter ses premiers matchs des éliminatoires en septembre 2024 sans précision. Et c'est tout pour la revue de la presse de ce vendredi 5 juillet 2024. Merci Mokhtar, à la semaine prochaine. Chers auditeurs, euh, comme annoncé tantôt, aujourd'hui, pour rappel, le Niger, Niamey, la capitale, vient d'être arrosée par une bonne dose de pluie. Et ce matin, nous allons vous tenir compagnie euh, jusqu'à point de chute à partir de midi. À présent, passons à la rubrique hebdomadaire qui nous parle de l'entrepreneuriat dans cette émission. Et bien évidemment, nous allons parler de l'autonomisation des femmes. Pour atteindre leur autonomisation, les femmes se sont lancées dans l'entrepreneuriat depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de rencontrer Madame Salamatou Abdou, qui a consacré sa vie à la transformation du lait depuis 2017. En effet, c'est une activité qu'elle mène avec l'appui des partenaires, ce qui lui a permis d'engager deux veuves et quatre jeunes, suivant l'entretien qu'elle a accordé à Hawa Ousmane. za 2007 na yi goguwa bare za yi gogoyi borfo bande kalso alhamdulillah ai bon sai na yi gogo amma gano ni gogo duwa matkin nan goga sai da wallahi wai wa nan duwa center de collecte dono irwo irgi sambu wa fuye no gono kai giwa margirse no dirfuwo do bore kanga kanduwa mu wagune da dai hal wagu bori wala almano kan gi ni wayi ala sindu dori zambar kan gi bore wayan da il faut que am ti anane woni donc wa fo din doni gi konduwa fo din dono igi wagune din wagun didi kan wagu bori ima sambu dina sambu ima yenen di ma an sifse irkan tibar ka ga kaga no di ka kafu ga bari wa bare yin wura ligin da kiri sai zanga masale kan nugu dai bor ka si kan da wasan da aga bai kan masal gonu zam sentina dai an foya hal irbun bogu koi da sindinan kan ga wasan bu zam wa amiyai ni gaba ni dai hanni gito da nan kan ni kaga da kidan jobon ga bare a sisara amma din sindin nan kan ga sambu kanga yeno dinga ya lagu toni do masal gonu ga ginga pati ino tukan wayan din da ke ni gidi am kosu a singi zargitan se wa mutka a zargan da han foyen mu wa ko e kanga da dini la hano din no kagite igi gorno gine kalingai ma safariyan san bugda wal dingai wayi su bai wane ngai gorgi ni won batu yani ga wadi kan gorgice labatu asite an foyi mo irin kan tibarkai dini dinni wa bare so ina te ya wur dudun gai goni sini nan kan gaye nan di da gaye nan ka gudu yeni hal ka so masala dum mu sigan ni go wora ni gonde ndubure kan gidi ni sai ayo wo kai goyora ai du barkai yan gidi ai dama tiya din don nai sine wo aiga ai gogoyo wara war kulnai mandi war kulno mandi ta dai gidi gina amisi bai mai wonu amma kuna alhamdulillah fizan kai irse ONG Karkara Moteur ses partenaire. Donc, Ingedeno Bogir soutenir pour le moment. ay du financement à la bagri. Quand en cours, mais donc ay go bat nana zankayen sambu kango se ay ni zankayen sambu zankayen do tigiya zam goy wodin wana inen bor fo bora mun do ay kanin ga mayo yanan ay di do ti gen kan gogor kan yango zan ka ay kan kwar borai bugu dirgina isin da barkan ga dirise don ay ni sambu ay ke bi se mat kai gogote ay nim ka irmute kai nadin kan bora gudu hala ko dunga kan bona a gane fa don ka aini dotti di ka bu kan gogoi bande da zan ka taci inga no gogoi bande son na fa fo no nudu goyo wura kan ko alhamdulillah na fa kan ai duwo na fuga babu zan ba son na fa fo ya so exposition ka birni masha Allah mu birni idi birni matkin mil birno dingoda wallahi irin gar birni zami irdi kan ko har kanino amma ya kirgarara a berin da kwar har beri zama hay kul kirkande hay kunno sigir garbi ko nyama dirbu wacin din kara sora hakkunai te nyama gine bu yan maga ya dinga alhamdulillah ne gini na fin kan tamo bore kan ni di irse kan to ONG kan gogir ga ngai mo igogi borirse zam ingai fatti ngai no gona igogir bai ali go bai ay kai irgote Voilà, à l'instant, c'était bien la rubrique hebdomadaire entrepreneuriat. Poursuivons euh, notre émission, chers auditeurs, cette fois-ci avec euh, de la musique et nous allons écouter euh, le titre La paix de la formation For My People. C'est parti. thank you

Euh, La paix chantée par le groupe euh, de rap For My People euh, est un titre inspirant le groupe For My People euh, incite les Nigériens à dépasser leurs différences pour bâtir une paix durable. C'est dont nous avons besoin. En effet, cette chanson évoque les défis sociopolitiques tout en prônant la solidarité. Elle résonne comme un appel à l'action collective pour un avenir harmonieux. Une œuvre inspirante qui souligne l'importance de la cohésion sociale dans un pays qui vit une insécurité grandissante comme le Niger. C'est alors travaillons tous mettent la main. Dans ce sens-là, notre pays pourra progresser. Dans ce sens-là, notre pays. Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalango. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, euh, on l'annonçait en début de l'émission. Il est à présent avec nous dans ce studio. Il s'agit bien de notre invité du jour. Euh, Monsieur Coviti euh, Crioche Eric. Bonjour. Soviti Crioche Eric. Soviti Crioche Eric. J'ai l'habitude l'habitude, qu'on tout mon nom. Bonjour tout le monde. <laughs> Salut tout le monde. Ça va bien la ça va, Ça va bien, Dieu merci. Et ce beau temps Ah, il fait super beau aujourd'hui en Amérique, C'est cool, ça fait plaisir, ça fait du bien. Super. Alors, Eric, pour commencer, dites-nous concrètement c'est quoi les graffitis Le graffiti, c'est une inscription euh, ou un dessin qui est réalisé de manière euh, généralement dans des espaces publics sur un mur, sur un monument, euh, sous des ponts, euh, sur des échangeurs, ou bien même dans les transports, sur des bus, sur des trains, etc. Alors, euh, dites-nous, pouvez-vous nous parler de votre parcours en tant que graffeur Je suis encore tout frais dans le graffiti. Ça fait trois ans officiellement que je pratique cette forme d'art. à la base, j'étais danseur. J'étais danseur. Mais la danse hip-hop que je faisais, euh, le graffiti, euh, c'est tous des disciplines hip-hop. Voilà, euh, j'ai dansé de 2007 officiellement jusqu'à un peu aujourd'hui, <laughs> parce que je partage ma vie entre les deux. Mais en ce moment, le graffiti occupe une très grande place. Et c'est surtout grâce aux conseils, grâce à l'influence des amis proches que j'ai. Qu'est-ce qu'ils me disaient il y a 3, il y a 4 ans ou 5 ans Mais Eric, tu as un don. Tu as un don que Dieu t'a donné pourquoi ne pas aussi l'exploiter Parce que je dessine depuis l'enfance, au fait, depuis la classe de CE1, CE2. Euh, j'ai toujours dessiné, mais je n'avais jamais pensé à professionnaliser ça. Il y a une décennie comme ça, il y a 8 ans, 10 ans, euh, je faisais aussi des portraits pour des gens, mais je disais toujours ah, que ça reste un nous, que ça reste un nous, je suis trop occupé comme ça. Et vraiment, grâce à la sagesse des gens qui m'entourent, euh, j'ai choisi ma vocation, une autre vocation qui est le graffiti aussi. Alors Eric, dites-nous comment décrivez-vous l'état actuel du graffiti au Niger euh, Le graffiti pour le moment, euh, c'est peu connu. C'est peu connu, euh, c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est que le graffiti. voilà, j'essaie à ma façon de faire connaître ça déjà. déjà pour les prestations que j'ai eu à faire pour ces trois dernières années, comme je dis, ça va, les gens reçoivent ça très bien. beaucoup de gens posent beaucoup de questions parce que c'est un nouveau style. Euh, de dessin, que je vais dire entre guillemets, euh, que les gens rencontrent. J'ai l'habitude que les gens s'arrêtent, me demandent, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ici C'est quel genre de dessin euh, Je dis, c'est du graffiti. Ok. Alors, pouvez-vous aussi nous, parler un peu des défis rencontrés en tant que graffeur au Niger en termes de, de ressources d'acceptation sociale ou de, de cadre légal ah, En termes de ressources, c'est mon métier. Hein. Je dois vivre de ça quand même. Je dois manger là. Donc, euh, <laughs> eh, on, peut, on peut dire que, on peut dire que hmm. euh, ce métier nourrit son homme. Euh, pour le moment, ça m'aide. Ça m'aide. Je ne veux pas dire complètement nourrir. Hmm. parce que le, le, plus grand défaut fait, dans les ressources, c'est dans mes outils. Hmm. Parce qu'il y a un outil qui est. Il y, a, y a du matériel vraiment adéquat pour le graffiti qu'on ne trouve pas ici. Il faut toujours le commander du Burkina euh, du Ghana et du Sénégal. Et, c'est quoi, c'est, comment on appelle ça, les matériels dont vous parlez Est-ce que vous pouvez nous mm. citer quelques-uns Parce que certainement, il y a d'autres euh, dessinateurs qui aimeraient aussi mmh. s'élancer et à travers... Euh, votre intervention, certainement, ils auront une idée des matériels que vous utilisez. Il y a un matériel que les dessinateurs en ce moment ont peur en général, c'est la bombe pro du graffeur. Mm. C'est vraiment des, des sprays, c'est des bombes à peinture professionnelles euh, qui sont vraiment adaptés aux graffeurs. Parce que les bombes qu'on trouve ici, au fait, à la base, ce sont des, ce sont des aérographes, ce sont des aérosols qui sont destinés à, à, corriger la peinture de certaines carrosseries des voitures. Mm. Mais bon, c'est ça qui est là sur le marché, on fait avec. Sinon, le matériel adéquat, ce sont des bombes pro. il y, a beaucoup de modèles, euh, c'est un peu cher, mais ça fait un bon taf, ça fait vraiment de la magie, que ce soit sur un mur, que ce soit sur des vitres, que ce soit sur des roches. Voilà. Après, les bombes, euh, il y a ce qu'on appelle des aérographes, des aérosols et des aérographes. On appelle airbrush. Voilà, c'est un petit c'est un petit pistolet avec son, compresseur que tu peux déplacer avec toi et qui a ses peintures aussi qu'on ne trouve pas ici. Il y a aussi euh, les feutres acryliques qui sont très adaptés pour les vitres. Euh, ça aussi, ça se commande de l'extérieur. Donc il y a vraiment ce défi-là de, de l'outil. Sinon, à la base, le graffeur, c'est le charbon qu'il utilisait quand on doit remonter à l'époque de la guerre mondiale. Quand on voit le mur de Berlin, c'est rempli de graffiti, mais à l'époque, on ne l'appelait pas graffiti, on l'appelait le tag. Hmm. Est-ce que voyez on l'appelait le tag Avec le temps, avec le temps, le graffiti va évoluer, et même dans le matériel. Parce que même à l'époque aussi, à l'époque de la guerre mondiale, ce sont les aérosols des voitures qu'on utilisait, les aérographes des voitures. Mais avec le temps, jusqu'aux années 70, avec la venue du hip-hop, hmm. euh, le graffiti aussi va s'imposer et le matériel aussi va évoluer. Il va falloir les années 80 pour que ça ne rentre pas le Sénégal en Afrique. Ah, revenons à présent euh, par rapport euh, au cadre légal. Est-ce que euh, le graffiti est légalement accepté ici au Niger ah, Vous qui êtes dans le domaine Pas pour le moment. <laughs> pas pour le moment. Je ne pense pas que maintenant, en quittant le studio Kalongo, je vais me lever, prendre des bombes, aller dans un espace public pour graffer. Je ne pense pas que je pourrais. Hmm. J'ai déjà eu une expérience par rapport à ça. Il y a quelques années, j'ai rencontré euh, un monsieur qui est venu dans un cadre très professionnel, mais qui, qui partageait la même passion que moi, mm. euh, le graffiti. J'ai oublié, je pense que ça doit être un Allemand ou un Belge, un truc comme ça. Donc, euh, on voulait une permission pour vraiment s'exprimer dans un espace public à la mairie, c'est 4-5 fois où soit le maire a voyagé, soit le maire en réunion. <laughs> Donc c'est compliqué. Pour avoir l'autorisation. Pour <laughs> juste avoir l'autorisation d'aller nous exprimer sur un espace public. Mm. Alors, Erika, dites-nous quel impact pensez-vous que les, graffitis peuvent avoir sur les jeunes et la communauté au Niger euh, le graffiti peut avoir un très grand impact même dans le milieu éducatif parce que ce sont des messages très réfléchis qui sont réalisés sur ces, sur ces murs. Voilà, ce sont des fresques qui parlent, ce sont des fresques qui passent des messages, ce sont des fresques qui, peuvent dénoncer ou être partisans d'un système. Ce sont des fresques qui, partagent, qui expriment des sentiments euh, voilà, qu'on vit, qu'on vit tous les jours au quotidien et voilà, j'ai la conviction que ça peut vraiment avoir un impact euh, sur ce point. Mm. Eric, on a vu une création que vous avez eu à, faire au niveau du, mm. centre culturel euh, Ganda. Alors, euh, pouvez-vous nous décrire votre processus créatif Comment choisissez-vous vos thèmes et vos emplacements Bon, ça, ça, peut aller dans deux angles, si je peux généraliser. Sous la sollicitation, euh, quelqu'un peut me, une ONG ou une structure culturelle peut me solliciter, voilà, faire une fresque qui, qui raconte ça. Ou bien ça peut aller personnellement, en fait. On, me dit, vas-y, lâche-toi. On me donne juste un thème. Ben, ça va déjà passer par une collecte de données. Ça va passer par une collecte euh, d'informations et d'idées. Et voilà, quand tout ça est regroupé, c'est euh, avec le temps, il y a l'inspiration qui vient. Et dès qu'il y a l'inspiration qui vient, et voilà, c'est le déclic euh, pour jusqu'à aller sur la réalisation, jusqu'à avoir le produit fini. Voilà, merci Eric. On va prendre une petite pause, le temps de souffler, et on revient juste après. Le studio Kalangou, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Retour au studio avec euh, notre invité du jour. Euh, il s'agit bien de Coviti Crioche. J'espère que cette fois-ci. On massacre toujours mon nom. C'est Coviti ou c'est Eric, Eric, où tu utilises mon code name Rico Art. Ouais, mais je préfère euh, apprendre bien le nom. C'est Coviti. c'est Soviti. Sovuti. Sovuti. Crioche. comme Son Goku, quoi. tu as regardé les mangas dans la l'enquête. <laughs> D'accord, ok. Revenons à nos différentes questions. Mhm. Quelles sont vos aspirations pour l'avenir du graffiti au Niger ah, mes aspirations, c'est. On, parlait tantôt d'éducation déjà, c'est que ça a un impact sur l'éducation. Il mm. ne faut pas qu'on pense que c'est un acte vandal comme au tout début. Aujourd'hui, c'est un art à part entière, au fait. Donc, mes aspirations, c'est de faire connaître déjà ce art, et voilà, en faire une entreprise, et pourquoi pas à long terme euh, impliquer les jeunes jusqu'à aller dans, leur insertion dans, dans, le socio-professionnel, au fait, pourquoi pas. Est-ce que, est -ce que cet art euh, rapporte euh, peut-être dans d'autres pays oui, le art rapporte dans d'autres pays. Aujourd'hui, dès que tu traverses les frontières de Niger, toutes les grandes capitales sont remplies de graffiti. Tu vas trouver des musées qui sont dédiés au graffiti, des musées à ciel ouvert. J'en ai vu à Lomé. Voilà, ou au Sénégal qui sont dédiés au graffiti. Alors Eric, dites-nous, avez-vous des projets futurs ou des collaborations en cours dont vous aimeriez nous en parler Beaucoup de collaborations, vu que c'est un domaine dans lequel, comme je disais tantôt, je suis encore frais, je suis en train d'apprendre. Beaucoup de collaborations déjà avec nos pays voisins, avec le Burkina et le Mali et le Sénégal que j'ai déjà côtoyé. Euh, voilà, des, projets de formation, des projets de formation pour les jeunes, euh, voilà, d'échanges, des ateliers et pourquoi pas aller dans l'événementiel à travers des jams à travers des performances, à travers des, réalisations de presque des kilomètres, au fait, pourquoi pas. Alors, euh, Eric, euh, tout à l'heure, vous avez évoqué, euh, vous l'avez si bien dit que jusqu'à présent, le graffiti n'est pas légalement reconnu et mhm. aussi, ça n'a pas tellement d'impact. Il n'y a pas beaucoup de, de, graffeurs. voilà. Je, donc, profite, de demander à sur l'antenne, à des graffeurs, contactez-moi, s'il vous plaît. Mm. Alors, pensez-vous qu'il peut devenir une forme d'art plus institutionnalisée ou reconnue ah, s'il y a quelque chose dont je, crois, c'est que là, le graffiti au Niger, peut ou bien va être reconnu comme euh, une forme d'art, une discipline artistique à part entière, comme toutes les autres disciplines artistiques. Et, pourquoi pas euh, euh, trouver cette légitimité au niveau des institutions. J'ai pris l'exemple tantôt des musées qui sont à ciel ouvert, qui sont dédiés spécialement au graffiti. Mm. Alors, dites-nous, y a-t-il des initiatives ou des programmes éducatifs pour promouvoir les graffitis comme forme d'art au Niger euh, Ça, c'est quelque chose que, à huis clos, déjà, j'ai commencé. en passant, je suis aussi enseignant d'art plastique dans, dans, une école de la place et ah les enfants adorent. <laughs> adorent. C'est pas dans notre programme. Euh, Dieu merci, je suis avec un fondateur qui, connaît l'art, qui respecte l'art, qui connaît l'artiste aussi. Et il me laisse me lâcher de temps en temps avec les enfants. Peut-être chaque mois faire une séance de graffiti, euh, je viens avec mes masques et mes bons pros. Et voilà, on s'amuse avec les enfants. Et ça se voit, ils s'amusent beaucoup, ils ont envie de faire, ils ont envie de s'exprimer aussi à travers cela. Et comment percevez-vous la réaction du public et des autorités face à, vos œuvres ah, Pour le public, je, le reçois très bien. Euh, j'étais récemment sur, une tournée régionale, euh, sur les Inders, sur, les autres régions. Et partout où je, je réalise ces frais, il y a toujours cette intrigue-là. Euh, les gens viennent, les gens viennent toujours demander qu'est-ce qui se passe sur ce mur-là. C'est quel genre de dessin en fait J'ai dit c'est du graffiti. J'explique toujours euh, si c'est une thématique euh, par, rapport la, par rapport à la tournée que j'ai faite récemment. C'était avec deux ONG, le CSV et Forge Art. c'était une sensibilisation par rapport à comment, comment on appelle ça déjà euh, les gens qui, traversent, qui voyagent ah, légalement, l'immigration, l'immigration, migrations. Euh, voilà. Euh, donc mon message était objectif travail, ici c'est possible. Hmm. Voilà, je ne l'exprime pas forcément directement comme ça, je joue avec des couleurs et des formes. Hmm. Donc il y a toujours cette intrigue-là que ça crée chez les gens, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter Et quand j'explique que voilà, telle couleur raconte ça, telle couleur raconte ça, telle forme raconte ça, telle forme raconte ça, et qu'on est dans le contexte, ils sont toujours éblouis. Et je suis très content de, de ces réactions du public. Pour les autorités, bon, pour le moment, <laughs> comme je disais tantôt, on ne s'est pas encore confronté. Personnellement, je ne me suis pas encore levé dire que je vais réaliser une fresque comme ça, euh, comme ça se fait dans les, grandes capitales ou dans les pays développés. Ah, pour finir, avez-vous un message à l'endroit des jeunes qui aimeraient se lancer dans le métier du graffiti Mon message à l'endroit des jeunes pour le graffiti, moi, je deux messages simples vous aimez le graffiti, aimez votre art. Ça, c'est ma première phrase. Deuxième phrase, battez-vous pour ce que vous aimez. Merci infiniment, euh, Eric, d'avoir euh, répondu présent à notre invitation. Merci au studio Kalongu. One love, one love. Nous vous souhaitons euh, une excellente journée et bon vent dans votre carrière de graffiti. Merci beaucoup, Seino. C'est un gars aussi hip-hop. Hein. <laughs> Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Sinon, on passe à présent à l'écho des régions qui nous amène à Dosso pour parler de la danse traditionnelle. Oui, Mariam, la région de Dosso est un centre historique qui abrite le palais du sultanat de Dosso, symbole de la noblesse locale. Les Armands, principalement groupes ethniques de la région, pratiquent plusieurs danses traditionnelles qui jouent un rôle central dans leurs rites et festivités. Suivons le reportage de Nana Hadiza Hassan sur ce sujet. gargajiya dai a nan jihar Doso abin ban sha'awa ne kana abubuwa ne da ke ɗaukar hankalin masu kallo a kowane take na rawa yana kumshi da labari ko kuma aika sako ko kuma tuna da wani abin tarihin da ya gabata kuma galibi rawar tana tare da kiɗa na kalangu sarewa algaita goge da dai sauransu a wasannin kiɗa da rawa na gargajiya mamu ahmadu ta yi mana bayani kamar haka wallahi to ni dai in na kasance inda aka buga ganga kiɗin da ke sa in cashe dai an na farin tutu farin kal yana shiga jikina ne ko kuwa aka buga kiɗin kurhayawa wanda ake cewa tsoron baya na kurhayawa ga kyawo kuma ga hali to in dai aka buga shi duk inda nake wani abu nake ji yana tashi cikin jikina sai na taka ko bani iya rawa to an buga ganga duk wanda ya waye ya san me ake nufi in masu buga ganga kuma suka yi magana kuma wannan adduka duka amma yanzu gangan ma ce aka bar yayi zamani ya canza sai kiɗin gwangwani amma su ya faɗakar da mu akan na kalan rawar da aka gada a nan jihar Doso na gargajiya daban-daban kuma amfanin su. Idan aka ce rawa kenan an kawo maganar kiɗi babu rawa idan babu kiɗi amma ana iya rawa idan aka girshe ka ko babu kiɗi akwai cikin al'adunmu a taɓa a rawa abinda muka tashi da shi kenan sun canza a fagen wasa idan ka ji an ce kalangu abu ne da aka yi da fata idan ka ji ana taɓi akwai rawar da ta dace da shi kamar alkwacin gayya da sauransu duk waɗannan ana taɓi ne ana yin su amma makaɗa na yin su al'ada iri da yawa ke har ila yau hamma kwalezi ya ba mu dan takaitaccen bayani a game da wannan aiki na kiɗan gargajiya na kalango a cewar sa abu ne da aka yi watsi da su tana kuma suke tabbata cewa a yankin idan ba mu yi hankali ba kiɗa ne ma zai ɓace muna Latizawa na mutuwa matasa ba su son kiɗi kuma idan ba ka san ka kenan ba ka san kanka da kanka idan ka duba a ƙasar mata da su salon kiɗa guda ne babu wani sauyi da ake samu idan ba an koma wajen sarakuna ba sarakuna su zage damtse idan an yi maganar al'ada maganar sarakuna ce al'adun nan a farfaɗo da su idan sarakuna suka tashi tsaye dole gwamnati ta sa hannunta baka cewa ɗanka bai zuwa wajen wasannin al'adu cikin gari a takaice dai raye-rayen rawa na gargajiya a nan jihar doso abu ne da aka gada a tun fil asal kiɗa da rawa abu ne da ke sanya nishaɗi a zukatan masu kallo da sauraro Reportage Sienana Hadiza Hassan depuis Dosso. Un coucou à tous nos auditeurs qui nous suivent sur cette émission à travers la radio Farah. Eh bien, chers auditeurs, c'est le moment pour nous de recevoir Adam Sariou pour la partie sport. Adam, bonjour. Bonjour Seno, bonjour Mariam. Bonjour Adam. Adam, l'actualité l'oblige. Nous débutons cette page avec les tirages au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. À l'issue de ces tirages au sort, le Niger se retrouve dans le groupe F avec les Ghana, l'Angola et le Soudan. Est-ce un bon tirage pour le MENA national du Niger Eh bien, selon moi, ce tirage est vraiment à la porte du MENA national. Je m'explique. D'abord, si on regarde le classement FIFA de ces quatre pays engagés dans le groupe F, à savoir le Ghana qui est 68e sur le plan mondial, l'Angola 94e, le Soudan 121e et le Niger 128e. Et en regardant ce classement, je dirais que le Niger peut très bien s'en sortir dans cette poule. Je vais aussi rappeler que le Niger compte deux participations à une phase finale de Coupe d'Afrique, notamment en 2012 et en 2013. Alors Adam, euh, merci hein, de nous avoir euh, expliqué le tirage au sort. La Côte d'Ivoire euh, a été placée dans le groupe G et aux côtés des anciens champions. La Zambie et la Syrie, euh, la Sierra Leone, autant pour moi, et le Tchad. Eh bien oui, quant au, Maroc, pays haute placé dans le groupe B, il affrontera le Gabon, la République centrafricaine et le, et Zoto. Effectivement, autant pour moi. Les qualifications débuteront en septembre 2024 et se termineront en novembre de la même année. Les, équipes classées première et deuxième de chacune de 11 poules, à l'exception du groupe B, où concourt le Maroc, obtiendront leur place pour le tournoi. Les phases finales de cette Coupe d'Afrique des Nations se tiendront du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Chers auditeurs, c'est la fin de ce dernier numéro de la semaine. Je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous. Merci Adam, passe un excellent week-end aussi. Alors, assieds-nous, dis-nous qui est l'étoile du jour. oui, le portrait du jour nous amène à la découverte de Madame Kiari Falmata, âgée de 67 ans, mère de deux enfants. Elle est titulaire d'un certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du, secondaire, du second degré, le CAPES. Falmata est une ardente défenseur des droits de la femme nigérienne. Rakia Arimi nous dresse son portrait. Madame Kari Falmata était professeure d'histoire et de géo des collèges et lycées, avec plus de 20 ans de carrière dans l'enseignement. La sexagénaire fut aussi inspectrice générale des services pendant six ans et aujourd'hui on la compte parmi les acteurs de la société civile nigérienne. Et de ces faits, elle est fréquemment sollicitée par les médias. Des invitations qu'elle accepte volontiers, car pour Madame Falmatakari, aujourd'hui, la radio et la télévision sont incontournables pour véhiculer la bonne information, notamment atteindre les femmes rurales. Les médias, ce sont nos partenaires. Si on peut le dire, c'est le quatrième pouvoir. Donc euh, la communication est importante dans la vie de tout un chacun parce que ça véhicule des informations, on apprend et on profite aussi pour véhiculer des informations. Et depuis l'avènement de la démocratie avec euh, la conférence nationale, il y a eu le multipartisme, il y a eu une fusion d'ONG pléthorique, donc on a adhéré aux ONG et il y avait les partis politiques qui sont nés. Et ils des formations, on faisait des sensibilisations, donc on les invitait. Et c'est en ce moment-là qu'on a commencé à apparaître sur les médias et à parler sur les médias. Parce que nous, les femmes intellectuelles, nous sommes les porte-parole des femmes sans voix, les femmes de rurales. On se soucie de ces femmes-là. Elles n'ont pas accès aux médias, en général et en particulier ni aux radios communautaires. Donc avec nous, on peut véhiculer leurs idées aussi et leur véhiculer des idées. Parce qu'elles nous écoutent et elles seront émancipées sur les différentes radios, Madame Falmata aborde diverses thématiques et beaucoup de ses interventions sont orientées vers la défense des droits de la femme nigérienne. En général, moi, ce qui m'invite, c'est Radio Kalangu que je remercie beaucoup. On a collaboré sans arrière-pensée. La radio Tamara, qui est une radio des femmes, et quelques rares fois Dunia et RTS et aussi Bonferré et beaucoup de radios communautaires. Et vous savez, les radios communautaires sont à la mode parce que c'est eux qui sont la hauteur des paysans et de ces femmes rurales. Et en général, on nous invite à des tables rondes à des conférences, à des débats sur plusieurs thématiques. Le leadership, euh, le genre, la démocratie, la scolarisation de la fille, les mariages précoces l'éducation de la jeune fille, la marginalisation de la jeune fille, c'est surtout sur l'autonomisation de la femme. Même si on est société civile aussi, on parle politique, il faut que la femme soit émancipée. On la sensibilise sur le genre, sur le quota, puisqu'elle se présente aux élections législatives et municipales. Les témoignages de satisfaction que j'ai eus, c'est des témoignages de satisfaction professionnelle. Pourtant, j'ai fait 20 ans de carrière dans la société civile. C'est Radio Kalangu qui nous a appelés avant-hier pour nous donner un témoignage de satisfaction, très officiel. Mais à part ça, un petit témoignage d'une direction régionale, nous n'avons jamais eu. Falmata est mère de deux enfants. Ces derniers apprécient son dévouement et soutenir les jarres féminines. Il l'encourage et espère que d'autres femmes lui emboîteront les pas. C'est bien ce qu'elle fait. Toujours, on la voit dans les réunions séminaires. On la voit même sur les médias aussi. Tous les jours, elle part en mission pour aider les femmes. Et je trouve ça bien. Je l'encourage qu'elle continue comme ça. En tout cas, elle fait de son mieux. C'est une femme battante pour euh, d'abord l'émancipation euh, des femmes et l'autonomisation des femmes aussi, l'éducation aussi des jeunes filles. Elle peut servir d'exemple, si on peut le dire, pour euh, d'autres femmes et qui doivent lui emboîter le pas. J'apprécie énormément ce combat qu'elle fait, jour et nuit. Par peur de préjugés, au Niger, beaucoup de femmes sont réticentes pour prendre la parole sur les médias. Madame Kari Falmata les exhorte à s'exprimer pour leur émancipation. Merci Rekia Arimi pour ce portrait. Chers auditeurs, bouclons notre playlist avec les titres Girma Girma de l'artiste Fati Niger qui évolue au Nigeria. Agirma de Fatih Niger, c'est nous. Passons à présent à la rubrique Loti du jour. oui, Mariam, dans nos sociétés et nos cultures, dans un couple, les responsabilités de chaque conjoint sont situées. Et justement, le Loti d'aujourd'hui parle des responsabilités du mari envers son épouse et ses enfants. Une discussion entre Rakia Arimi, Samira Rouafi et Moussa Hassan. Lotzi. Lotzi. Lotzi. Así vamos, Reyyan. السلام عليكم وعليكم السلام عيسى باني مو كني بوغهين إيه فوقتي تنتي أيوة يفرقوا والله عيسى هني يجاو للتابي subhanallah ai ga budaino wallahi ai farga subhanallah hadda buya ifo gate heka kiyai sai bani ifo note wallahi usmanu amman ba ta handu in ka kai ya kafuya ai salan agan sai an tabo kan ai te usman bande agan salan ai sai agan ne mi ye so ingine ya aye ga sintin ingi da yama a gwandu noogo amma a singa ba ŋwaari ya gi sirse windora ha a wanji ga fu nooro bana kalbin windi koyo gidi ka kaye bon son ne zan kai noro ko je soki nim kandi lakol a wanji gano koi na a gondu son son kai gono dinga gi sirse fu yan isi koy lakol wallahi sihini ai si ya kwara wallahi he irkoi he dangai nangai mai hijabu sambo gaka irkoi gagar nodini ai gikya sai hai kan yan hima <laughs> waltan ti asiba fu he eh, nan akka gai garne ai go ne ba ba ba ba ai to su ban assalamu alaikum wa alaikum assalam ah tanti ana ir kwaran kuna lokaci ku kora oho ai gai ne wa za su bai nai go ne ai go gin bot <laughs> tabbat aran ga cim ai man wasu ka haboci na no go yadin so da ko mu bokasino to ir dai mu dago nan di aizo ma ga sai nai ka windo wora ka gwaro irin salam to ni di haikansi ya aika newo ai mu doga salan ni seno hayai wo kan ni goga te asibori ate handu yanne ya kan aika na ran sabandi nin da aisa ni gorga sino kan halga kason ni man barmai son wa ka aisi da sanni ta gifu kwai ne halga kason ni min da bar barmai wala aha aisa ni goge ma wasar kurara yan oban da ka din kun fu mu wai haire do kai jombe ha a usman amane ni masara guna ba a ga hamu ganki gummat kan ko ciwo ga hamo goda ha a fabu a bi ya kino ni koi ga da ni siga ngwayandi ni siga bankare ha wo ni goyo wo window wora ta musu ai bokan kanta kurnyo ya ne gor habora ai kursi ba hankan ganwa ai mi ye kafu koi ne kaina kan ai gudu ngene ye ko ka jine te jen dai da ye kan da habora dai du ba ai kan da wal man ta usman irkoi dai mini yafa ni wandewo ngano go hay ne a wani saluyan a wani ware a wani bankara da wani mu bano ni himano ni maguna ka nin bui ko harga kata newo ni bonno a wani tina kulgo yadino arsilam taraini amma ni wa mutukan ni goga san da irko gihin gin hada su bafa subhanallah ya tanta musu musu bona won ware yasi ya dinga din baba na wo min gana gurgin hale hansefa hai kai na kan ni gudu a ga wasa ni wani nerando din wani almiyalai se ni si bai mati kan no zan kai ginna fanda su ba di tunu amma din siga din siti se haiki ga ba su ba isi ba fonga niga abin da ga kan bana musu ba tanti wal hanan aran ga cim man tai gano niga alhaiha ni wanda gano niga alhaiha usman aran garan gwarai te i hannu aisa alhana isi musfan yi hinne ai fahamda da ta loda tinawa kan gwaigin da bandabo dai so mu aban in kunume ai kulkan goygin da banda bon ai ke yi ka tabbatan di nin da zan kai sai ai wai sigi ya dinga bono usman ai sofu dai mi yefu zama ga kan ni ga sintin haisa ai ga tabbatan din sai kan asiye ga fillo koyi ne wone wo yai a asiye ka ti haisa ai kan ai ga kini sai gorni fuwara ni misali ni zan kai din kunni kan ni kunni wo ni ha alhahi ma alhana sai Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là le loti offert par le desk femme du studio Kalangu. Écoutons ensemble l'explication du mot de la semaine qui est coopérative en langue tamashek. Ça sera avec Alamine Wachar. Bonjour Alamine. Bonjour Siano, bonjour Mariam. Bonjour euh, Alamine. زاد دشي ولا سلمغنا ان كوبيراتيف كوبيراتيف المعنى نتا سنتاسا ازلوا زرندتي للتنشي انت تكسد دينيت فلقنا ويقالنا تكاتوت نزلوا يتوكسا يتفر تام كوبيراتيف يموصن تداوت اغاني تيدن اغاني تيدن دغيقمي دغيقمي نار تودو زاوية نرزغ harwada dart wazi sasuhen namutafgaran ummad made dagad we qalan taa diiwaan sentas cooperative almacnaaneed arataditaa weenen niminnikaa tumoos tiniminnikaataa tilel hadafneed tumoosar ta zifnozan ibanara tumoosar ta ditaa ween anamutafgaraytiden harwada ad saswaanaytiden tumoosar dheqena ditaa ween ead sintetey harwada damaknun khaaliten sudar فلقنا ويقرنا تين منك تستانو كوبيراتيف دمو سارة تزن في نقا دم دغا كان تاكل تزيقو فلاس الشغل كل وين تا انت تاكتن منك تا موصن الشغل تهاتن فا يا الأمة موصن الشغل أزا تقص تنفا فلقنا ويقرن قاما ينن منك ان الأمة دقاما يهروادا نرد كل وزاكنا حالتنا الأمة دي كوبيراتيف تي داوة تموصن قا منك نيتيدن adisen <laughs> Merci à la mine pour cet éclaircissement sur le mot coopérative. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication. En anglais, en haoussa, en jarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, écoutons ensemble vos messages vocaux. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Studio Kalangu, tabarakallah masha Allah rigo mai ikani gumo zama wargadu information ni labo bon ku kan wotan labora ne mara da ballakin no ne ma da fulan san no ga ma da gurma kin ne gama aya daga mil Niger ki ne kuli gida no di me sabino gore borisi ayo sin radio kai gambo kama dis di kulawo ai radiya dai noya digina dai ai ga wanda kai yesi aisha da ajiya fati tapuwa ni gogo yin kai yesi ai ma gati musu tubu bakar sai radio kalangu ta mai ke gite tan bobo no surtu on kan ga wabarai guna din nga dai no borga hangan da bayan dan kai kul kan ga wabarai guna gun mo ni kai ruwa da fono zama abono ga jerir mo ir wani sensibilisation yi da haiwai bon fera ka irga tewo bore sai foi da bora ko dal bore tam kulkan e tewo agon da na faya dinga irwo irga hangan tam kulkan e ga tay man ne wai man ne tam kulno go bori don kai wagi hangen zama a girga aksini wani sensibilisation a kirkitera. bore kai ga fodai giti kan gina de radio kalangu bore zani bai ne o kauye na ergo don kai kai go ir wani radio partner mai radio mu radio no kan ginda ga koi non kulu ir radio no radio no kan goitere gonda hausan ke no gane kusari iga goi don ka vrema ir radio ir ga radio da radio goitere igo go kanu zama igo bare bon feri go na fobo bobute kwarara don kom kalangoy partenaire no donc iro hay kul kangi raja gag sine partenaire kul kande kangi ka kande go ir raja do no kangi raja gag sine kulir go ir go ibande ay mayoti sumela kiuso sise kan sigine deje tido kalangu maga irga bora me ame fofo ga hanga ne nan kano ga to irgogi ir sabin der kokari kutto nan diga irgogi kai yese mu ima barka na yiri ya irko kanar ke be haran yesu no masa da ngar se ga baira irga ngare irko minga suyo dinga lakal kana dinga hallasa dinga bano zuman da er yese assalamu tare labai me amera kende kendo kango te illa bora irku talbe hanto ma ara amubu aw amin no ga hambanin da lakalkane kane ai kurkan te sai labo mu ga koi kala ko min hizame ame irgogi kayesi irgogi fofo irga ngare nan gai kan lakal tunai go irko makandi sai lakalkane nan kan lakal si irko bano da lakal kana tonton ga tabbatan da ise Ici prend fin euh, cette émission de ce vendredi 5 juillet 2024. Vous étiez en compagnie de Mariam Adé et moi-même Ali Munkela Ouseni. L'édition a été assurée par Adam Adawaki à la technique. La technique a été assurée aussi de l'autre côté par Seini Isaka. Sur ce, bye bye.